C'est le président, en fait, qui nomme aux emplois civils et aux emplois militaires. Ça, c'est la Constitution. Mais extramuros, c'est le président qui a son pouvoir discrétionnaire de donner sa confiance à qui que ce soit. Donc je ne vois pas pourquoi, ne sais que par respect à notre coalition, nous sommes des politiques, c'est la politique qui nous a amenés ici, que des gens font croire à des personnes que oui, oui, telle personne bénéficie de la confiance du président, tel fait ceci, cela. Moi, je voudrais, monsieur le ministre des Affaires étrangères, à votre nom, m'adresser à tous ceux, ceux qui ont été victimes de ces attaques lâches, dirigeants à l'endroit de nos citoyens, qui ont eu la confiance du président et qui mènent à bien leur mission. Et ça, c'est des mises en garde. Il faut qu'on y ait un problème, nous devons régler problème. Mais le président que je connais bien, qui a été victime de telles pratiques ici en 2008, je crois qu'il sait bien man, à quel point ma situation. Moi, je suis constant au regard de, mais n'aime pas la lâcheté. Comme ça, un problème, encore encore réglé. Mais n'est pas quand même à ce que oui, j'ai vu le président, il m'a dit ça. Il faut que ces intimes mesquines, ces collégations oisives finissent ici. En tout cas, moi, personnellement, je prendrai tout ce qu'il nous fera pour y mettre fin. Donc, ceci étant, je nous demande confiance, mon amitié à tout le monde mais man xaw ma ak qui respecte nit ñi di liggéey comme il est courtois Il y a des gens que je connais depuis 12 ans mais qui des fois même de dox audience taxaw du ma xol sax moi j'aime ceux qui me respectent ceux qui respectent les gens mais nek depuis 2007 ba est président ça c'est un faux débat amuñu depuis 20 ans amuñu bel ñi militaire ko ils sont plus méchants que les autres vraiment excusez-moi euh, c'était ça que je voulais dire comme ça fait le a problème. ko président Macky Sall le am fulla Comme il confiance sur le plan politique sur le plan échelon, il rôle avec tout le civisme et la noblesse dont on lui connaît soxla du le waxal de le kër on le met en garde ces escrocs là bëgg mu faire.